Euh, sur le miroir euh, de la femme. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette euh, grande édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine. Le Centre international de conférence à Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre à un forum d'investissement Pakistan-Niger. C'était sous le haut patronage du président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Les temps forts de ce forum avec Ramatou Oumarou et Raouf d'ailleurs. Cette première édition du forum d'investisseurs au Niger qui a pour thème Niger porte d'entrée des investisseurs pakistanais en Afrique vise à encourager la promotion et le développement des partenariats entre les hommes d'affaires du Niger et du Pakistan sur les opportunités de réalisation de projets industriels nigériens. Les acteurs économiques bénéficient d'un environnement économique favorable à tout égard pour exploiter les nombreuses potentialités dont regorge ces pays, dont entre autres un important potentiel minier et pétrolier en cours d'exploitation ou à la recherche d'investisseurs, plusieurs filières porteuses qui sont le bétail et ses dérivés, les produits agricoles et maraîchers, dont les sésame, l'oignon, la gomme arabique, l'arachide et les souchets, pour ne citer que cela. Un artisanat riche et varié, des sites culturels et touristiques attrayants, des secteurs de bâtiments, des transports, de la santé et de l'éducation en plein essor, une population jeune, apte et disposée au travail et à l'apprentissage. L'ambassadeur de Pakistan au Niger et le ministre fédéral chef de la délégation pakistanaise Retirent leur partenariat avec le Niger. Présent pour la circonstance, le Premier ministre chef du gouvernement a salué la coopération entre le Niger et le Pakistan. Ce dernier est revenu sur l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République à l'exploitation des potentiels économiques du Niger et a aussi rappelé l'objectif visé à travers ce forum d'investisseurs. L'organisation de ce premier forum d'hommes d'affaires pakistanais au Niger, vise principalement à encourager la promotion et le développement des partenariats entre les hommes d'affaires des deux pays sur les opportunités de réalisation de projets industriels nigériens touchant notamment le développement des chaînes de valeur agro pastorales et halieutique. À cet égard, les objectifs visés sont notamment accroître les investissements directs étrangers, positionner le Niger sur la carte mondiale en matière d'investissement compatible avec les objectifs de développement durable, favoriser les partenariats publics-privés en vue de la mise en œuvre du plan de développement économique et social. Ce premier forum d'investisseurs représente un défi pour les hommes d'affaires que vous êtes et que vous devez relever afin qu'ils servent de levier pour l'organisation de prochains forums avec d'autres pays comme invités. Je voudrais lancer un appel à nos hommes d'affaires afin de saisir cette opportunité unique d'échange avec les leaders du secteur privé pakistanais pour nouer des relations de partenariat nécessaires en vue d'entreprendre et de mettre en œuvre ensemble des projets industriels de transformation de matières premières et de production industrielle à diverses échelles. Notons que les travaux de ce forum d'investisseurs entre le Niger et le Pakistan va renforcer les liens et la concrétisation des projets de partenariat envisagés entre les entreprises pakistanaises et nigériennes. La cure salée s'est ouverte vendredi dernier dans l'après-midi à Ingal sous la présidence de son Excellence El Hajj Bazoum Mohamed. Nos envoyés spéciaux Abdourachid Ahmed Mega et Talata Abdou Bachar ont recueilli les réactions de quelques personnes dans le centre-ville d'Ingal. On les suit. da ma kirsa ce muke zawa mu mutane motocin namu na gari suka komo nan sai mu biyo su mu zo na mu yi aiki da sun juya kuma sai mu taya eh, in ba kirsa lai ba ma zawa nan kwarai gaskiya lalle gida ne amma ba mu yawan zawa cikin gari an riga an yi kirsa nan jama'a da suke zuwa nan ba abin da ba su zo da shi ba abin da ba su yi ko abinci ne suke sai wurinka ko isansu ko wani abu da yawa Hein? rahma ce da yawa wannan abu ne wanda yake ya kamata ma mu rike shi da hannu goma ya karmi wasa da shi kamar shekarar can da ba yi ba ba mu ji daɗi ba yani kenan shekarar ga an yi mun ji daɗi kenan dole mu shigo shi tun da mun san da jama'a suna zauwa kuma wanda ya zo da kasuwancin shi ya saida kuma je suis très curieux de, de venir parce que j'apprenais tout ça de loin. C'était, aujourd'hui euh, cette fois-ci, c'est ma première participation. Je suis là pour voir de visu et toutes les valeurs euh, culturelles de, notre pays. Et également, c'est une fête des, éleveurs. Donc, euh, vraiment, c'est une rencontre, euh, une grande fête de, partage et d'échange entre les autorités et, la population elle-même, qui est, pour sa grande majorité, des pasteurs, qui sont des pasteurs. Quoi. Voilà, en effet, je suis venu pour voir et je commence à, à constater que la fête sera très belle. ma ingel ma garin mu ne kuma na zo kirsale eh na zo na katarar ka ina sai da ba yau nake sai da suna jima alhamdulillah an gode ma Allah da abin da muke nema muna sam tunda kana ci da diyan ka kuma da kuma ai ka gode ma Allah Ko mun zo mu ga kirsale muna so a watse taro lahiya kuma kowa koma gidan shi lahiya. sur tout un autre plan, la troisième édition du Forum des mines et du pétrole de la CDAO, prévue se tenir du 1er au 3 décembre prochain au Niger, a été officiellement lancée mercredi dernier par le ministre en charge du pétrole et des énergies renouvelables. Compte rendu, Ibrahim Kantama. Cet événement qui a réuni les principaux décideurs des secteurs publics et privés des industries minières et pétrolières d'Afrique de l'Ouest et les plus hautes délégations gouvernementales des États membres de l'Afrique de l'Ouest de la CDAO marque le lancement officiel du troisième forum des mines et du pétrole de la CDAO. Le COMOF est une plateforme régionale d'échange sur les secteurs miniers, gaziers et pétroliers par la CDAO. À l'occasion, le chargé du programme Afrique de l'Ouest a fait une brève présentation technique de gouvernement Quant à la ministre des Mines, elle a expliqué l'importance et les objectifs du, du forum. Ce forum représente une plateforme régionale d'échange qui nous donnera l'occasion de mettre en évidence le potentiel du Niger en particulier et de l'Afrique de l'Ouest en général dans le secteur des industries extractives. L'objectif est de partager l'expérience, le savoir le savoir-faire et de créer de nouveaux partenariats et de développer des réseaux. Des experts de sociétés africaines du pétrole, de gaz, des mines et des entreprises nationales et internationales, les gouvernements, le secteur privé, ainsi que la nouvelle génération des investisseurs exploreront des idées novatrices à l'occasion de ces forums pour le commissaire de la CDAO chargé de l'énergie et des mines. Il a d'abord salué les partenaires avant de revenir sur la place qu'occupe le secteur minier et pétrolier et les défis à relever. Plusieurs défis se posent dans le secteur des ressources extractives en Afrique de l'Ouest, dont nous pouvons citer une faiblesse des cadres réglementaires et des moyens de suivi et de contrôle des activités extractives une faible, un faible pardon, niveau de contenu local se traduisant entre autres par une faible implication des opérateurs économiques locaux dans la production des biens et services, une faible contribution à la richesse nationale, une faible répartition équitable des revenus avant un développement local et régional, une insuffisance des ressources humaines, particulièrement dans les négociations des contrats assez complexes, et très peu de valeur ajoutée due, au fait que les activités minières soient dominées par l'extraction et l'exportation du minerai brut avec une faible transformation des produits localement. Dans son discours de lancement ECOMOF 2021, le ministre du Pétrole et des Énergies Renouvelables a expliqué pourquoi le choix du Niger et c'est à quoi le thème retenu pour ce troisième forum renvoie. Au Niger, nous avons fait le choix d'améliorer la connaissance et la promotion du potentiel minier pétrolier, de moderniser les cadastres miniers pétroliers, de créer plus d'industries utilisant la, la matière première pétrochimique. Toutes les actions en faveur de ces deux domaines devront permettre d'une part de porter le poids du secteur pétrolier à 25% du PIB, 45% des recettes fiscales, 68% des exportations et 12% des, emplois formels, et de l'autre, en ce qui concerne le secteur minier, de faire passer les couvertures géologiques et géophysiques respectivement de 13 à 22% et de 20 à 31%. C'est dire que les domaines miniers et pétroliers auront un bel avenir au Niger. Ce forum qui abritera le Niger du 1er au 3 décembre 2021 va aider le pays à atteindre ses objectifs à travers l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Dans hier euh, matin des laboratoires mobiles par l'Organisation ouest-africaine de la santé au Centre de recherche médicale sanitaire Sermes, C'était dans les locaux du 10 centre de Niamey. Zainab Gagara, Ibrahim Kantama, reportage d'une valeur de 135 117 250 francs CFA, se don de laboratoire mobile en capacité de faire toutes les analyses bactériologiques de l'Organisation Ouest africaine de la santé au Centre des Recherches Médicales Sanitaires dans l'objectif d'appuyer ce centre dans leur lutte contre les endémies tout en renforçant la qualité et le moyen de prise en charge sanitaire des populations partout dans le pays en effectuant des analyses sur place. La directrice de CERMES est revenue à cette occasion sur les différentes recherches qu'exerce le centre. Le CERMES est doté d'un certain nombre d'outils pour conduire à mieux ses missions. Et donc, euh, nous avons au sein du CERMES des unités de recherche nous avons une unité bactériologie, virologie, une unité paludologie et entomologie médicale et une unité d'épidémiologie, santé, environnement et climat. Et nous sommes également, nous logeons également tous les laboratoires, beaucoup de laboratoires nationaux de référence. Il y a le laboratoire national de euh, référence méningite, choléra, diphtérie, coqueluche, grippe, géo et bilharziose, polio et environnement, fièvre hémorragique et arbovirose. Donc vous comprenez combien euh, la réception donc, euh, euh, de, ce, de, ce, de cet outil-là est très important donc, pour, le, pour, le, pour le CERMES. Le point focal de l'OAS Niger, en prenant la parole, a fait un détail des équipements de ces laboratoires mobiles Ces don de laboratoire mobile d'une valeur de plus de 135 millions est composé comme suit. Un véhicule support climatisé 4x4 type Hilux, une cellule laboratoire changeable en cas de panne du véhicule, deux sièges mobiles permettant de travailler dans le laboratoire, des équipements électriques avec des prises au standard européen pouvant être alimentés soit par un groupe électrogène, Fourni soit par le réseau électrique existants, une paillasse, un, lavabo et des réservoirs d'eau, un réfrigérateur congélateur, un incubateur étive, un microscope, une chambre centrifugeuse, une haute à flux laminaire qui permet la manipulation sécurisée et protégée, même pour la virologie et d'autres accessoires. L'avènement d'un tel dispositif permettra au ministère de la Santé publique de la population et des affaires sociales de pouvoir réaliser des tests diagnostiques en toutes circonstances dans un contexte d'émergence et de rémergence des épidémies prenant la parole à son tour. Le représentant du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales salue ces gestes. Le Niger apprécie hautement les efforts de l'OAS dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations à travers, des gestes similaires auxquels nous sommes désormais habitués. En effet, l'OAS a déjà doté le service d'une ambulance médicalisée et de matériel de laboratoire, dont entre autres des congélateurs de moins 20, moins 80 degrés, de, un lecteur d'ELISA, une centrifugeuse, des réactifs et consommables pour test Covid pour plus d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, ce don va renforcer la qualité de la prise en charge des épidémies à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en faisant le diagnostic sur place. Ce geste cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 3 du gouvernement de la 7e République qui, privilégie les interventions visant l'amélioration de la santé de la population en général et celles visant à lutter contre les épidémies en particulier. Ce don d'une importance capitale va sans nul doute contribuer dans la lutte contre les endémies, mais aussi accompagner le programme du gouvernement sur le plan sanitaire. De son côté, le collectif euh, des syndicats de la presse indépendante a rendu public euh, au cours de cette euh, semaine une déclaration de presse. Celle-ci est relative à la signature de la convention collective de la presse, suivant sa teneur dans ce extrait. L'annonce de la relance des pourparlers devant aboutir à la signature de la convention collective de la presse a légitimement suscité un réel espoir chez les acteurs des médias, notamment ceux de la presse indépendante, longtemps entretenue dans une forme de clochardisation sans précédent qui ne dit pas son nom, du fait de l'absence d'un cadre juridique légal régissant les rapports entre employeurs et employés. L'État a rappelé que c'est pour la toute première fois, depuis plus d'une décennie, que la question relative à la convention collective Assemblée semblé attirer l'attention de l'exécutif, lequel s'est volontairement proposé à arbitrer la suite du processus, convaincu sans doute de la nécessité de redonner à cette noble profession, qualifiée de quatrième pouvoir, ses lettres de noblesse, en mettant notamment fin au désordre et à l'exploitation qui caractérise le domaine. Cependant, il convient de rappeler que depuis la mise en place du premier comité, initialement installé le, 22 juillet, et la recomposition du dit comité à la date du 11 août 2021 avec pour mission de poursuivre les discussions en vue de l'adoption de la convention collective dans un délai maximal d'un mois. Le processus n'a jusque-là pas évolué d'un iota près de deux mois après la déclaration porteuse d'espoir du ministre de la Communication. Aucune réunion du comité n'a pu se tenir à cette date et les moyens nécessaires au fonctionnement du comité ne sont toujours pas libérés. Face à tout ce qui précède et au regard de la léthargie qui guette à nouveau la suite du processus de la signature de la convention collective de la presse, tel qu'il a été le cas à quatre reprises sous la direction de quatre ministres successifs, le collectif des syndicats de la presse indépendante dénonce et condamne avec force la nonchalance qui caractérise la démarche visant la signature du document portant convention collective de la presse, pourtant considéré comme seul gage de sécurité pour les professionnels des médias, interpelle le gouvernement quant à sa responsabilité de veiller à l'aboutissement de ce processus conformément à ses engagements de servir de facilitateur à la signature de la convention sollicite l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'administration dans, le déblocage de cette situation qui n'a que trop duré. Appelle les différentes parties prenantes à faire preuve de sacrifice et de bon sens pour faire prévaloir les seuls intérêts de la corporation. Ouverture, euh, cérémonie d'ouverture euh, au cours euh, de cette semaine du symposium organisé par la coordination du projet FAFO de l'école normale supérieure de l'université Abdomoumouni de Niamey. Le thème retenu est qualité de l'éducation, innovation pédagogique et alternative. D'autres précisions avec Ramat qui commente les images de Abdouraouf Dayabou. Ce symposium qui a été organisé par l'École normale supérieure de l'Université Abdou Mouni de Niamey a pour objectif d'aborder la problématique de la qualité de l'éducation à travers les innovations et les stratégies pédagogiques mises en œuvre pour assurer une éducation équitable et exclusive, comme préconisé par l'objectif de développement durable 4 dans le contexte de l'éducation pour tous. Il me plaît de vous rappeler le contexte de ce projet de recherche Vision 2030, objet de ce symposium. Ce projet est un projet d'une recherche-action. La recherche a été assurée par l'École normale supérieure et l'action, c'est-à-dire la mise en œuvre par les ONG. Ce projet est axé sur l'intégration et la réintégration des jeunes de 12 à 14 ans qui ont été déscolarisés précocement ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Pendant ces deux jours, nous allons partager avec vous les résultats de cette euh, expérimentation. En deux ans, vous allez voir les produits qui sont sortis de cette école. C'est-à-dire qu'en utilisant des alternatives éducatives, nous sommes capables de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. L'un des participants a aussi exprimé son avis sur ces dix symposiums. Nous venons tous euh, d'assister à la cérémonie d'ouverture du présent symposium qui a, comme thématique euh, l'amélioration de la qualité, les innovations pédagogiques et les stratégies éducatives. En tout cas, ce que nous pouvons dire par rapport à cette thématique, euh, surtout à ce symposium, c'est un truc qui répond aujourd'hui aux attentes du président de la République. Comme nous venons de constater, les résultats du baccalauréat sont tombés hier. Et les rendements, vraiment, c'est très, très catastrophique. Donc, pour pouvoir relever les défis de ces résultats, d'où le présent, si vous voulez, forum. C'est un forum qui regroupe toutes les compétences, toutes les autorités en charge de l'éducation. Deux jours durant, les participants à ces symposiums auront à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'enfin les objectifs visés à travers ces assises puissent être atteints. Parlons de la culture dans cette euh, rétrospective euh, pour euh, évoquer le lancement des activités de la septième édition de WAMA sous le thème paix durable et prévention de la violence par l'art créatif C'était au palais de congrès euh, de Niamey. Adamou, précision. Ce festival qui a réuni plusieurs artistes de l'Afrique francophone et anglophone s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture. À sa septième édition, West African Music and Movie Hour, sous le sigle WAMA a débuté en 2013 et après six éditions passées au Nigeria, celle-ci qui se tient à Niamey est la première à se dérouler en dehors du le choix du Niger pour abriter cette septième édition de WAMA a pour objectif de récompenser les acteurs nigériens qui ont montré leur talent aux éditions antérieures. Au nom du ministre de la Culture et du Tourisme, par sa voix, M. Ibrahim Mahaman a souhaité la bienvenue aux participants et aux nominés. Pour le directeur marketing de Wama, cet événement révèle un cadre de créativité et de brassage culturel. Wama Award a pour objectif global de soutenir la paix à travers les métiers d'art, de contribuer aux efforts de l'État dans la, la sauvegarde, la promotion de la culture, la transformation sociale, la rénovation urbaine, la paix et le développement. Il contribue également à la stabilisation de la jeunesse à travers des opportunités d'activité génératrices de revenus, la création d'emplois et la culture de la paix. Wama Award sera alors un cadre d'échange et de brassage entre plusieurs disciplines artistiques internationales telles que la musique, la danse, le théâtre, les films et plusieurs événements culturels pendant lesquels est mise en valeur la culture africaine dans toute sa composante le représentant de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, quant à lui, est revenu sur les objectifs qui visent le thème de cette édition. Eh, representing the of the Federal Republic of Nigeria to Niger. Les movies et musique Award aujourd'hui apportent également des éléments de discipline et de tolérance à travers la compétition. Je voudrais souligner ici qu'il n'y a pas de perdants ici aujourd'hui. Vous êtes tous des gagnants du simple fait d'être nominés. Nous organisons cet événement uniquement parce que les activités compétitives nous aident à développer des compétences importantes telles que la résilience, la persévérance et la ténacité. Ce n'est pas un événement gagnant et perdant. Nous sommes ici pour vous célébrer, vous féliciter de vos efforts pour prêcher la paix et l'unité et vous encourager à continuer à prévenir l'extrémisme violent de nos sociétés. Ce spectacle digne de l'industrie culturelle africaine mettra davantage en valeur la créativité, l'unité, la promotion et l'intégration parmi les participants. Le rideau était tombé hier euh, samedi 8 septembre 2021 sur la formation organisée par la formation Hirondelle à travers le studio Kalangu à l'encontre des journalistes. Une occasion pour le formateur et les participants de s'exprimer. On les écoute. Les participants m'ont semblé quand même beaucoup motivés, et d'autant plus que ce sont de nouvelles techniques qu'on est en train de leur enseigner, c'est-à-dire filmer avec son téléphone portable, parce que tout le monde, euh, malheureusement, n'a pas un ordinateur ou une caméra. Euh, spécifiquement prévu pour le tournage euh, et le montage des reportages vidéo. Donc euh, actuellement, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment qu'ils s'approprient les outils qu'on a vus et toute la technicité, toutes les techniques qu'il y a autour du montage, du tournage, avec simplement un téléphone portable et de, les appliquer, c'est-à-dire de pouvoir réaliser eux-mêmes des reportages, des interviews à l'intérieur du pays avec peu de moyens, avec les moyens vraiment qu'on qu'on leur a donné les moyens, et, bah, je, veux dire les techniques qu'ils ont apprises au niveau des formations et tout. Parce que on est au Niger, il y a malheureusement très peu d'images, très peu de reportages, en tout cas vidéo qui nous font remonter euh, les, informations de l'intérieur du pays. Je parle vraiment là des zones rurales euh, qui, ne sont pas beaucoup euh, filmées, on va dire, par nos journalistes parce qu'il y a très, souvent très peu de missions qui partent, peut-être une fois le mois, deux fois. Ça dépend là aussi des moyens ou du coût financier que ça représente. Donc si ils peuvent s'approprier ces outils et les développer en interne chez eux, ça serait vraiment très très bien. Bon, ce sont des sentiments de satisfaction. je dirais que c'est vraiment euh, un atelier de formation qui vient à point nommé. quand on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas facile euh, pour euh, les confrères journalistes de traîner avec des caméras un peu partout. Il y a des situations dans lesquelles on n'est pas avec sa caméra. Et si vraiment on est avec son téléphone, portable, ça veut dire qu'on peut faire tout avec euh, le téléphone. Non seulement le téléphone permet donc euh, de prendre la vue, euh, le son, et aussi faire le montage avec ce même téléphone portable Android. Mais dans tous les cas, c'est la formation continue. Ça, c'est un début. Et une fois aussi, quand on va retourner, on va donc continuer à nous exercer. Et au besoin, dans tous les cas, le formateur est là, il peut continuer aussi à nous assister. Parlons à présent de la prolifération des groupements de tontines qui prend de plus en plus de l'ampleur de la capitale, une situation qui ne reste pas sans conséquence sur la société. Notre reporter s'est entretenu avec Oustaz Gibril. On le suit. Il est évident que ces groupements de nos jours il y a eu ce qu'on appelle prolifération de ce groupements-là, puisque le nombre, Dieu seul sait combien de groupements pareils existent aujourd'hui dans la seule ville de Niamey. Ce que nous allons dire tout de suite, le groupement en tant que tel, c'est peut-être un moyen de communication, un moyen, si vous voulez, d'interaction entre les, les gens, mais c'est les objectifs qui définissent la licéité ou bien l'interdiction du groupement même. Nous savons aujourd'hui, ces groupements-là, la plupart, c'est des, réunions souvent hebdomadaires ou mensuelles, ou même euh, semestrielles. Donc, pour euh, répondre à la question, il faut dire que il y a des cotisations que les gens versent de temps à autre et si les objectifs définis, si les objectifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes, les adhérents, cadrent parfaitement avec l'islam, l'islam ne peut qu'encourager ces groupements ainsi que leur existence. Maintenant, si c'est des groupements qui, à travers leurs euh, différentes actions, leurs interactions, euh, ainsi que les agissements des, adhérents, s'il y a quelque chose à condamner, il faudrait que l'islam, toujours, juge les objectifs que les gens se sont donnés quand ils veulent créer des groupements. Ici, c'est des groupements pour la plupart où les gens viennent euh, souvent c'est peut-être pour euh, renforcer les liens de, proximité, les liens de parenté. Et souvent c'est peut-être pour... Euh, ces des, vieilles connaissances, les gens se réunissent de temps à autre pour pouvoir euh, discuter, pour pouvoir débattre de certaines questions. Et souvent c'est des cotisation que les gens versent pour aider les démunis et souvent c'est peut-être aussi à tour de rôle que les gens cotisent et que les gens arrivent à profiter de ce que les, autres cotisent. Donc pour cela nous allons dire que si les gens se sont réunis en groupement pour pouvoir aider les faibles ou bien pour renforcer les liens de parenté, l'islam l'encourage à, à tout prix. Et si c'est des cadres qui visent la perversion, la désobéissance, nous faire des choses que l'islam interdit, dans ce cas, il faut dire que l'islam condamne ces groupements-là. Le verset qui, pour la plupart, les gens citent quand il s'agit de groupements, c'est le verset là du chapitre 4 du Coran quand Allah dit il n'y a pas de bien dans ce que les gens font pour la plupart dans leur assemblée, sauf si les assemblées là visent le fait d'ordonner le bien, condamner le blâmable, le fait d'endurer, le fait de réconcilier les gens, le fait d'aider aussi les gens, si c'est ça le cadre, l'islam l'encourage. À défaut de ces éléments cités, il faut dire qu'il n'y a pas de besoin, pour ne pas dire il faut condamner de façon simple les groupements là. Maintenant, nous savons que la plupart des groupements que nous avons ici euh, chez, nous à Niamey, quand les gens veulent créer ces groupements-là, ils n'avisent pas les savants musulmans. C'est eux-mêmes qui décident de créer des groupements et ils le font. Et malheureusement, le fonctionnement de ces groupements-là, souvent, ça ne cadre pas avec euh, ce que l'islam enseigne. Souvent, Séance euh, de salubrité hier euh, matin au cimetière euh, de Harubanda. Une séance, la énième du genre organisée par le maire du 5e arrondissement de la région de Niamey, Zainab Gagara, Organiser chaque deux semaines, cette séance de salubrité au niveau du cimetière Harobanda depuis le début de la saison pluvieuse en vue d'assainir le cimetière de Harobanda rempli par des herbes et réparer les tombes en défaut causées par les eaux de pluie. Cette initiative des fidèles musulmans a à la tête le maire de la commune 5 comme dans leur coutume, plusieurs musulmans ont répondu massivement à l'appel du maire de la commune 5. Lorsqu'en tant qu'autorité, vous lancez un appel et que les gens, la population se mobilise, les structures se mobilisent, euh, on ne peut avoir qu'un sentiment de satisfaction. mais il faut préciser que nous ne sommes pas à la première opération. C'est une série d'opérations que nous avons organisées. C'est chaque deux semaines que nous venons ici ce travail, nous le faisons, Au fait, euh, nous le faisons pour nous-mêmes d'abord, parce que c'est ici la dernière demeure. Donc de temps à autre, il faut bien qu'on arrive à nettoyer pour rendre l'endroit un peu plus propre. L'union des étudiants de l'université de Niamey ne sont pas restés en marge de cette séance de salubrité suite à l'appel lancé par le maire de la commune 5 aux fidèles musulmans de prendre part à cette séance de salubrité. C'est un acte euh, très important en dehors du fait que ça nous rapproche de la population euh, de cette commune-là qui est pour nous un élan de solidarité et une lutte en tout cas aux côtés des masses populaires. Euh, nous, en ce qui nous concerne, nous avons toujours prôné euh, un exemple, euh, un bel exemple de l'étudiant qui serait appelé à être ce nouvel étudiant-là qui est en tout cas à la disponibilité de sa société, de son entourage, de son pays et qui travaille aussi pour une très bonne éducation société l'éducation de la société donc euh, qui participe également à l'édification euh, de la masse populaire donc euh, ça là c'est vraiment un devoir pour nous c'est un travail que nous sommes en train de faire c'est un travail que nous allons continuer à faire durant pratiquement tout au long de notre parcours. Nous avons cette obligation-là et d'ailleurs ça fait, ça fait partie des lignes de disposition de notre structure, de lutter toujours et d'être en tout cas aux côtés des masses populaires. Cette initiative du maire de la commune 5 et de ses fidèles musulmans est à saluer, car les cimetières représentent nos dernières demeures que nous sommes appelés à joindre tôt ou tard clôt cette rétrospective euh, de la semaine avec euh, la revue de presse euh, hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Au revoir. Qui a décidé du transfert d'Ibou Karagé à Côte-Calais. s'interroge à sa le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis le transfert d'Ibou Karagé à Côte-Calais, les débats publics sur les deux poids de mesure ont refait surface de plus. En l'absence de toute information judiciaire, on s'interroge selon le journal beaucoup sur les raisons qui ont valu ce traitement judiciaire à Ibu On s'interroge surtout sur l'identité de l'autorité qui a décidé ainsi du transfert de l'intéressé un acte solidement encadré par la loi. Selon des sources judiciaires du journal, le transfert d'un prisonnier intervient par arrêté du ministre de la Justice ou exceptionnellement par la décision du procureur de la République à condition que cela soit régularisé par une décision du ministre. Et là, c'est uniquement dans les cas d'urgence, nous apprend le journal qui se demande si le cas du Boukaradier se trouve dans quel cas. Devenait-il si dangereux à Saï pour décider du au lendemain de son transfert à Côte-Calais alors qu'il n'est pas encore jugé et condamné, s'interroge toujours le journal, pour qui c'est impossible d'avoir, malgré les tentatives multiples, la réponse attendue. Peut-être est-ce parce que la loi a été violée et que Moukaradi a été transféré sur un coup de tête et un abus de pouvoir qu'un silence absolu est opposé aux besoins de savoir des citoyens. Quant au nouveau républicain, il rapporte à propos de ce sujet. L'honneur sauf du Premier ministre Oumoudou. L'été aura été incontestablement marqué chez nous par le tristement célèbre feuilleton judiciaire que l'on appelle désormais l'affaire Ibou du sobriquet de l'ancien chef de service de transport à la présidence de la République, poursuivi par la justice pour détournement des deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique, d'escroquerie et d'abus de confiance devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Faut-il rappeler brièvement brièvement les faits. Ce chef du service transport, de la présidence a fait sortir des caisses de l'État plusieurs milliards de nos francs au moyen des lapins irrégulières entre 2017 et 2020. Arrêté, écroué en prison, il a adopté une ligne de défense consistant à balancer tout et son contraire, y compris chercher à salir la réputation d'honorable serviteur de l'État qui était loin de toutes ces forfaitures commises par ce tariviste que la présidence avait eu pour son malheur d'abriter les investigations des enquêteurs ont permis, selon le confrère, de situer les différents niveaux de responsabilité dans ces cas financiers, notamment les différents responsables de la chaîne de dépenses publiques, depuis le ministère des Finances jusqu'au Trésor public qui ont été mêlés à cette affaire et procédé à leur arrestation. Mais nulle part, sur aucun des documents ayant servi aux opérations illicites, le directeur du cabinet du président de la République de l'époque, Oumoud Mamadou, n'a posé sa signature aux fins d'imputabilité. Il est certes vrai que le DIRCAB est le chef administratif de toute la présidence, mais il n'est pas le supérieur hiérarchique direct du sieur Iboukaradie qui agirait directement sous ses ordres. Vous l'aurez sans doute déjà relevé selon le journal. Iboukaradie n'était qu'un simple chef de service de la catégorie B placé sous l'autorité d'un chef de division, lui-même placé sous l'autorité d'un directeur. Comme on le voit, c'est à tort que l'on voudrait impliquer l'actuel chef du gouvernement, Dirkab à l'époque des faits, dans cette sale affaire, juste parce que la gueule du monsieur ne vous plaît pas, ou parce qu'au Niger, l'on un malin plaisir à salir, à traîner dans la boue le nom et la réputation de quelqu'un. Mais selon le confrère, que l'on se rassure bien, le premier ministre Ouroudou n'est point ce personnage à la vertu morale légère, comme certains voudraient le faire croire, mais bien une personnalité très respectable avec une expérience internationale qui témoigne du sérieux et de la compétence de l'homme l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par la visite du président de la République à Tilaberi. Le journal Écho du Monde rapporte à ce sujet terroriste Bazoum Mohamed sur la ligne de front. Le vendredi 10 septembre dernier, au petit matin, le président Bazoum fut l'hôte des populations de Tilaberi. Il était accompagné par des membres du gouvernement, des députés nationaux et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité dont le chef d'état-major des armées aussi, les éléments des forces armées du bataillon de l'artillerie de Djadja, 15 km de la ville de Tilaberi, ont vu le chef de l'État en face qui est venu leur réitérer de vive voix son soutien et sa détermination à les accompagner jusqu'à la victoire finale sur cette insécurité qui n'a que trop duré dans la zone des trois frontières. Il leur a transmis ses félicitations et la reconnaissance des Nigériens dans le long combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Alors, comment ne pas saluer ce temps pour le moment théorique du président de la République dans la lutte contre ce terrorisme. Le souhait des Nigériens est, selon le confrère, de voir se matérialiser sur le terrain la fin de cette insécurité qui a endeuillé presque chaque famille au Niger. Car il faut le préciser, je vais faire, c'est une chose et tenir la promesse en est une autre. La visite de travail a amené le président à Difa le 2 juillet 2021 où il a continué à Kabalewa et à Paroua, puis à Maradi le 1er août 2021 avant de continuer à Gabi où des groupes de bandits empêchent aux populations de dormir tranquillement. C'est aussi ce tenant de soutien qu'il a amené à Tilaberi et ses environs meurtris par le terrorisme. C'est vrai que la visite de Bazouma coïncidait avec des attaques dans la région, mais tout cela n'a entamé en rien à sa volonté d'aller sur le terrain de fond pour apporter aux populations des régions du fleuve tout son réconfort et leur témoigner par cette visite à la présence de l'État, un soutien qui a tant manqué aux populations du Niger. Depuis l'éclatement de la crise sécuritaire dans le pays, ce voyage a été, selon le journal, l'occasion pour le président Bazoum de tâter le terrain, de le palper et de recueillir les informations dans les échanges francs et cordiaux face à face avec les populations. Sans intermédiaire, le président Bazoum a sûrement eu l'idée du mal profond que vivent les Nigériens qui vivent au quotidien sous les menaces terroristes. Puis à propos de ce sujet sur l'insécurité, le troisième œil écrit à sa une Insécurité et déplacement du président de la République à Tilaberi. Bazoum préside sans rancune. L'objectif premier de ce déplacement de Bazoum à Tilaberi est d'abord d'apporter à ces populations quelques reconforts susceptibles de leur venir en aide afin de sortir une fois pour toutes de ce fantasme, leur redonner de l'espérance pour enfin les amener à croire à un État qu'elles jugent incapable d'être sur l'ensemble du territoire national, de sécuriser conformément à ses obligations constitutionnelles les populations et d'en finir avec un groupuscule de gens malveillants, sans foi ni loi qui sème la terreur et la désolation au sein d'un peuple qui ne cherche pourtant que de quoi manger pour survivre. Dans cette gouvernance sans rancune, le journal écrit que Bazou Mohamed a saisi l'opportunité pour entretenir les populations visitées sur des questions d'unité nationale, de croire à un État soucieux de leurs problèmes et du bien-être, de confiance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission régalienne, des causes et conséquences de la mesure d'interdiction de circuler à moto dans la région et leurs attentes sur cette problématique dont les besoins diffèrent d'une localité à une autre. Bref, de ce souvenir regrettable des Nigériens et des populations de Tilaberi en particulier, qui depuis 2012 n'ont cessé de séparer les familles de leurs frères d'armes, parents, amis et connaissances. Ce message de Bazou Mohamed aux populations de Tilaberi semble être bien compris au regard de la forte mobilisation des populations constatée lors des meetings et accueils. Il témoigne en outre de l'efficacité de la philosophie de Bazou Mohamed sur les questions de paix, de sécurité, d'unité nationale, de pardon, de réconciliation des fils et filles d'un pays profondément endeuillé par le terrorisme. Un pays qui tarde encore à améliorer positivement son rang dans le classement de l'indice de développement humain IDH du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un pays où la corruption et les détournements des fonds publics sont devenus fréquents dans tous les domaines, un pays où les maisons d'arrêt sont garnies de prisonniers politiques sans jugement depuis l'avènement des élections tumultueuses de 2020-2021. Et puis, d'autres actualités marquant cette semaine, le Code du Monde rapporte la déclaration du collectif des syndicats de la presse indépendante. Et le que c'est pour la toute première fois depuis plus d'une décennie que la question relative à la convention collective a semblé attirer l'attention de l'exécutif, lequel s'est volontairement proposé à arbitrer la suite du processus, convaincu sans doute de la nécessité de redonner à cette noble profession, qualifiée de quatrième pouvoir, ses lettres de noblesse en mettant notamment fin au désordre et à l'exploitation qui caractérise le domaine. C'est le lieu de saluer à juste titre les efforts déployés par l'association Maison de la Presse dont les démarches ont permis de relancer le processus par le gouvernement. Cependant, le journal écrit qu'il convient de rappeler que depuis la mise en place du premier comité, initialement installé le 22 juillet, et la recomposition du dit comité à la date du 11 août 2021, avec pour mission de poursuivre les discussions en vue de l'adoption de la Convention dans un délai maximal d'un mois. Le processus n'a jusque-là pas évolué d'un iota. Près de deux mois après la déclaration porteuse d'espoir du ministre de la Communication, aucune réunion du comité n'a pu se tenir à cette date, nous apprend toujours le confrère qui explique que les moyens nécessaires au fonctionnement du comité ne sont toujours pas libérés. Face à tout ce qui précède et au regard de la léthargie qui guette à nouveau la suite du processus de la signature de la Convention collective de la presse, tel qu'il a été le cas à quatre reprises sous la direction des quatre ministres ministres successifs, le collectif des syndicats de la presse indépendante dénonce et condamne avec force la nonchalance qui caractérise la démarche visant la signature du document portant convention collective de la presse, pourtant considéré comme seul gage de sécurité pour les professionnels des médias. Interpelle le gouvernement quant à sa responsabilité de veiller à l'aboutissement de ce processus, conformément à ses engagements de servir de facilitateur à la signature de la convention. Sollicite l'implication personnelle personnel du président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'administration dans le déblocage de cette situation qui n'a que trop duré. Et pour finir, parlons de la Kirch Salée édition 2021. Le journal La Nation nous rapporte dans ses titres que la ville d'Ingale est prête pour la fête. La Kirch Salée est un événement annuel très important pour les éleveurs Peul et Touareg en transhumance à la recherche de pâturage et de ces minéraux essentiels dans l'alimentation du bétail. Institutionnalisée depuis 56 ans, cette fête des éleveurs est un cadre de retrouvailles et de réjouissance par excellence. Une occasion pour la commune d'Ingal d'accueillir des milliers de festivaliers de toutes les régions du pays et de certains pays voisins. Cet événement contribue au développement socio-économique de cette ville, d'où la place qu'il occupe dans l'agenda de la région et même du pays. Ville Carrefour Ingal est un centre d'échange par excellence entre le nord et les autres parties du pays, populaire grâce à la cure salée, fête annuelle des éleveurs transhumants. Cette commune, qui était jadis une petite bourgade, a vu les nombres de ses habitants se multiplier au fur et à mesure des années et la tenue de cet événement annuel. À quelques jours de l'ouverture officielle de cette fête, la ville s'est totalement métamorphosée et a vu pousser comme des champignons des huit habitations de festivaliers et des invités à perte de vue sur le site qui abrite les manifestations. Pour cette 56e édition, ils sont des milliers d'invités et festivaliers attendus. La particularité de l'événement de cette année, le journal écrit que c'est la présence annoncée du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. La population de la ville d'Ingal, pour sa part, salue la tenue de cet événement qui vient une fois de plus contribuer au développement socio-économique de leur ville en particulier et de la région en général. Autre motif de satisfaction de la population, c'est la présence du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Une présence qui selon eux, démontre tout l'intérêt que le premier responsable du pays accorde au secteur de l'élevage, maillon indispensable dans l'économie nationale. La cure salée est une occasion pour les autorités de procéder à une évaluation du potentiel économique que représente l'élevage sur le plan de la santé animale. Il est également prévu, selon le journal, de procéder à la vaccination des cheptels de cette zone ou de passage lors de cette cure salée. C'est aussi le lieu de procéder à des séances de sensibilisation de la population sur les thèmes importants tels que la coexistence pacifique entre les communautés, le respect des lois sur le foncier, les limites pastorales et bien d'autres sujets non moins importants.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 vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.